forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Bonsoir, il est 18h passé de 15 minutes. Merci d'être à l'écoute du studio Kalangou et bienvenue au forum du studio Kalangou qui est un espace d'échange entre des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Pour la réalisation de ce forum, nous sommes ce soir dans la région de Difa, dans le studio de la radio Amfani, qui est l'une de nos radios partenaires. Le studio Kalangu, c'est un réseau de 20 radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger et dans les localités d'Arlit, de Chirozérine, de Ménésorwa, de Magaria, Tamaske, Bouza, Filengue, Berningaure, Dolbella et Saï. Pour ce soir, la thématique de ce forum porte sur l'hépatite E qui sévit actuellement dans la région de Difa. L'hépatite E est une maladie du foie qui, selon les spécialistes de la santé, est provoquée par un virus qui se transmet par voie fécale orale, principalement via l'eau contaminée. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA Tchad, a relevé sur son site que courant le mois de mai, des cas suspectés ont déjà commencé à être déclarés et par la fin confirmés le 23 mai et ont fait déjà 30 décès. Des investigations du ministère de la Santé publique ont été conduites. Résultat, plusieurs patients atteints de cette maladie, dont la majorité représente des femmes enceintes, sont admises au centre mère-enfant de DIFA. Ainsi, l'épidémie d'hépatite E a officiellement été déclarée dans la région de Difa, à l'extrême est du pays, le 19 avril dernier, par le ministre de la Santé publique du Niger. À la date du 16 juin, le nombre de décès s'élevait à 33 décès, selon toujours le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Ainsi, dans ce forum, nous allons essayer de nous présenter sur la question de l'hépatite E, nous verrons sa définition, comment elle se présente, ses causes, ses symptômes, mode de contamination et son traitement, nous verrons par la suite comment cette maladie a été découverte et comment elle s'est répandue dans la région de Difa. Nous verrons la population la plus touchée, les statistiques à la date d'aujourd'hui et par la suite, nous allons nous interroger sur la meilleure façon de prévenir l'hépatite E ainsi que son traitement. Et enfin, les actions menées par les autorités en charge de la santé et les organismes humanitaires pour éradiquer cette maladie. Nos invités pour débattre de tout cela, monsieur Hamadou Mahamadou. Il est le chef euh, du personnel euh, à la direction de la santé publique euh, de DIFA. Bonsoir, monsieur Hamadou. Nous avons également Monsieur Yamou Abdoussalam chargé de programme santé et nutrition à Save de Children d'IFA. Bonsoir à vous. Merci d'être venu. Avant de commencer ce forum, je vous propose tout d'abord de suivre l'intervention du président du Conseil régional de DIFA, M. Meirou Malam Ligari, avec l'interview qu'il nous a accordée ce matin sur cette question de l'hépatite E à DIFA. On l'écoute. Je peux vous dire que cette épidémie, elle a été totalement maîtrisée. En fait, euh, dès son apparition, euh, dans la région de Difa. Au niveau donc, de la direction euh, régionale de la santé, les équipes se sont dépêchées sur le terrain pour faire euh, l'état des lieux et le niveau central a été sensibilisé aussi par ces questions-là. Et il y a eu des missions ministérielles qui se sont succédées et donc le gouvernement a pris donc euh, euh, les choses à, à main et au si je peux vous dire aujourd'hui que c'est une situation qui est totalement maîtrisée également, donc euh, grâce à nos partenaires qui sont là sur place aussi, qui, qui apportent leur concours. Si on peut comprendre, elle n'est plus en stade épidémiologique. Ah oui, elle n'est plus au stade épidémiologique actuellement. La situation est totalement sous contrôle. Mais seulement ce que je peux vous dire, nous sommes dans une région d'insécurité où vous avez des mouvements de population. Si nous sommes dans une situation alpha aujourd'hui, il suffit qu'il y ait un petit mouvement de population, cela peut changer également. Mais tout de même, il y a un contrôle, il y a un suivi permanent de très près, ce qui nous permet à chaque fois, à toute nouvelle situation, en tout cas, il y a une réponse. C'est ça l'avantage. Vous venez là d'entendre le président du conseil régional de DIFA, M. Meirou Malam Ligari. Mais avant de répondre sur cette intervention, je donne la parole à M. Hamadou Mahamadou. Il est le chef euh, du personnel à la direction de la santé publique des RSP de DIFA. Monsieur Hamadou, dites-nous euh, qu'est-ce que l'hépatite E, comment elle se présente euh, Merci euh, la région Calamou de m'avoir donné la parole pour un peu se prononcer par rapport à cette maladie appelée hépatite E. L'hépatite E est donc est due à un virus. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les virus et il y a ce qu'on appelle les, microbes. Donc ça, c'est une maladie euh, purement virale, donc qui se transmet à l'homme par euh, des voies qui sont là, sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure et qui affectent l'être humain. Donc pratiquement, euh, l'hépatite E affecte l'être humain et, que, ça se développe à l'intérieur de l'organisme qui devient un réservoir. Combien de personnes peut-elle savoir qu'elle est atteinte de cette maladie, les signes voilà, donc euh, les signes, en tout cas, qui ont été observés, qui ont été relevés par les personnes euh, victimes de cette maladie, euh, sont les suivants. Il y a d'abord une forte perte d'appétit chez ces personnes affectées de cette maladie. Il y a des malaises. Il y a une forte fatigue chez ces personnes il y a un dégoût pour les aliments, il y a également des douleurs abdominales. Ensuite, les principaux signes euh, qui se manifestent euh, au cours de cette maladie, c'est surtout euh, une urine foncée. À un moment donné du développement de la maladie, la personne constate que ses urines ont changé, ça donne, ça donne une sorte de couleur de Coca-Cola, si je peux me le permettre ainsi. Et également, il y a une décoloration jaune donc de la muqueuse, donc des yeux. Donc c'est surtout ces principaux signes qui se développent et que les gens souvent appellent même en langue entre guillemets jaunisse. Donc voilà euh, les principaux signes en tout cas qui sont observés chez les personnes victimes de cette maladie appelée hépatite E. Monsieur Yamou Abdesalam, euh, vous êtes euh, le chargé du programme santé du Save the Children. Alors, en tant que chef de programme santé, est-ce que cette maladie de l'hépatite E est contagieuse est-ce qu'elle est contagieuse Oui. Mm. Est-ce qu'elle est dangereuse Oui. Maintenant, euh, le danger, <clears throat> elle est mortelle. Mais heureusement que le taux de mortalité, il n'est pas grand. C'est euh, entre 1 à 3 C'est-à-dire sur 100, personnes atteintes d'hépatite E, il y a 1 à 3 qui décèdent. Globalement, c'est ça les, statistiques observées. Elle est contagieuse. Vous avez euh, tout à l'heure dans votre introduction dû rappeler le mode de transmission. Elle se transmet essentiellement par voie oro-fécale. Oro, ça veut dire par la bouche, c'est-à-dire elle lien entre les faciès, c'est-à-dire les, caca, et la bouche. Ces liens-là, il peut être l'eau de consommation qui est contaminée, il peut être des aliments crus mal lavés, il peut être euh, les aliments crus mal cuits, il peut être tout simplement euh, un enfant ou quelqu'un qui porte euh, à sa bouche sa main, euh, qui quelque part a été en contact avec des faciès d'une personne malade. C'est essentiellement la seule voie de transmission connue de l'hépatite E. Monsieur Hamadou Mahamadou de la DRSP, dites-nous euh, quelles sont euh, la tranche d'âge qui est le plus touchée par cette maladie Nous avons justement la tranche d'âge qui est la plus affectée, qui se situe entre la tranche d'âge allant de 15 à 40 ans. Il faut d'abord dire que ça affecte tout le monde. Mais dans la pratique, en tout cas, euh, cela nous a montré que la tranche d'âge la plus affectée varie entre 15 et 40 ans. Mm. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, euh, ça se situe dans cette tranche d'âge. Selon les sondages des personnes atteintes par l'hépatite, c'est la femme qui est la plus majoritaire atteinte par cette maladie. Qu'est-ce qui explique cet état de fait D'ailleurs, par rapport aux chiffres que nous avons, les décès par sexe liés à cette maladie que nous avions, que nos services en tout cas nous ont rapporté. Nous avons euh, à la date d'aujourd'hui 38 euh, décès liés à cette maladie. Et de ces 38 euh, décès, nous avons deux de sexe masculin et 36 de sexe féminin. Donc cela prouve que dans en tout cas de tous les chiffres rapportés que la femme est beaucoup plus menacé que le, sexe féminin est beaucoup plus menacé, en tout cas victime de cette maladie que le sexe euh, masculin. Donc voilà un peu. Et de cela également, parmi de ces 36 euh, décès, nous avons encore 11 décès qui sont en tout cas rapportés chez les femmes enceintes et 19 qui sont les femmes en postpartum, c'est-à-dire les femmes qui ont accouché après l'accouchement qui sont décédés. Donc il y en a 19. Oui, mais qu'est-ce qui explique concrètement cet état de fait Est-ce un manque d'hygiène euh? Bon, comme vous le savez, euh, la femme, euh, naturellement, son organisme, il sait qu'il est par rapport à l'organisme masculin. Maintenant, au vu de la situation, en tout cas constitutive de l'organisme de la femme, la femme, nous avons vu que les décès sont importants chez la femme enceinte. Donc, c'est une femme qui supporte une autre vie. Et même si elle n'est pas affectée d'une maladie, on sait que vraiment la femme, quand elle est en état de grossesse, elle est beaucoup faible. Elle est faible parce que souvent la femme en grossesse, même le manger, c'est un problème. Elle va vous dire qu'elle n'a pas d'appétit. Elle est là, le moindre mal, en tout cas, elle devient euh, vulnérable. Elle a un organisme vraiment très, très, très faible en état de grossesse. Ce qui fait que dès qu'elle tombe malade, il y a une maladie qui vient s'aggreffer à la grossesse. Là, c'est un problème. Et voilà, contrairement à l'homme qui peut supporter, qui peut supporter une maladie, étant malade, on peut aller travailler, en tout cas faire son boulot, contrairement à la femme. Monsieur Yamou Je vais compléter à Hamadou plutôt. Et aussi revenir sur euh, le fond de votre question. En, en fait, ce ne sont pas seulement les femmes qui sont atteintes. Il n'y a pas un choix dans les personnes atteintes. La seule caractéristique chez la femme, c'est qu'elle développe plus les symptômes à cause, comme l'a expliqué à, cause de sa, euh. à cause de sa situation, mm-hmm. euh, à cause de sa biologie. Mais sinon, tout le monde fait l'hépatite E. Et quand on se réfère aux statistiques épidémiologiques, il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées par l'hépatite E, mais qui ne la développent pas. Je crois qu'il y a même plus de 90% des personnes qui sont atteintes, qui guérissent, sans que cela euh, ne se développe. La faiblesse des capacités immunitaires chez la femme, particulièrement enceinte, fait que dès qu'elle a l'hépatite E, elle l'affecte plus que les autres. Et pourquoi L'hépatite E affecte le foie. Le foie, c'est la réserve de toutes les vitamines pour l'organisme. La femme étant enceinte, elle a un besoin supplémentaire en vitamines. Elle a un besoin supplémentaire en hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ça qui, c'est la substance qui, alimente le sang le foie étant dans l'incapacité d'assurer ses fonctions de fournisseur à l'organisme de vitamines et d'hémoglobine, la femme qui a l'hépatite s'affaiblit d'un coup. Ce qui fait que quand elle accouche, le foie n'étant plus euh, dans la capacité de produire l'hémoglobine qui participe à la coagulation du sang, dès qu'elle a une déchirure, le sang qui coule après l'accouchement, ça ne s'arrête pas ce qui fait qu'il y a beaucoup de décès qui sont observés chez les femmes qui ont accouché. Monsieur Hamadou de la DRSP, comment les premiers cas de cette maladie de l'hépatite E ont été détectés ici à Difa euh, Les cas sont apparus, comme tous les autres cas. Euh, vous savez, en matière de santé, euh, il y a ce qu'on appelle la surveillance active chez nous. Chaque semaine, chaque CSI, chaque district utilisent des outils de collecte d'informations qu'on appelle euh, des maladies à déclaration obligatoire. Donc, du lundi au dimanche, chaque structure remplit ses fiches. Tout ce qui a été observé comme phénomène dans l'aire de santé est rapporté et transmis au niveau du district sanitaire qui lui aussi remonte l'information au niveau de la direction régionale puis au niveau du ministère de la Santé. Donc, il y a euh, cette observation amène les gens à, voir, en tout cas à suivre le, le phénomène, tout phénomène, nouveau. Ce qui fait que euh, dès qu'il y a un cas, quelle que soit le, en tout cas la nature de la maladie au cours de la semaine, elle va se manifester, elle va être observée d'abord par le niveau CSI. Et si ça évolue, cela va interpeller le personnel pour dire au district attention, voilà dans mon, nouveau, dans mon CSI, voilà un nouveau phénomène que je suis en train d'observer et que voilà de tel cas je suis arrivé à tel cas. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le C épidémique, il y a des chiffres autorisés. Et quand ces chiffres sont dépassés directement, il faut lancer l'alerte. Ça veut dire qu'il y a un nouveau phénomène qui est là, qui est en train de se développer. Donc ce phénomène, c'est comme ça, il a été observé euh, par rapport à l'hépatite E depuis l'année fin de l'année 2016. Donc, début l'année 2017, ce phénomène a été observé, en tout cas, euh, de façon plus ou moins dans la région, dans les différents districts. Donc, le phénomène a été observé. L'alerte a été lancée parce que les chiffres augmentaient chaque semaine. Chaque semaine, chaque semaine, voilà, c'est le même euh, phénomène. et les manifestations sont presque les mêmes et cela a interpellé donc les personnels de la santé qui a alerté le niveau central et au vu des cas qui ont été rapportés, cela a mené donc euh, le ministère de la Santé a dépêché une équipe du niveau central en direction de la région pour venir en collaboration avec le niveau régional lancer une mission d'investigation au niveau du district sanitaire de Difa qui, a été beaucoup le plus infecté par rapport euh, en tout cas aux autres districts. Mais est-ce la première fois que cette euh, maladie de l'hépatite E est détectée dans la région de Difa Oui, en tout cas, c'est pour la première fois que ce phénomène a été observé dans la région de Difa c'est pour, la première fois. Monsieur Yamou, euh, vous avez quelque chose à ajouter sur cette question Moi, la seule chose que je vais ajouter, c'est le phénomène de propagation de l'hépatite E. C'est que l'hépatite e est connue de tous, qu'elle va avec les déplacements de population. Dès qu'il y a un déplacement de population, automatiquement, euh, vous avez une concentration des gens c'est un petit espace. Dès qu'il y a concentration des gens, il y a promiscuité, il y a euh, des problèmes d'accès à l'hygiène, il y a des problèmes d'accès à l'eau et il y a explosion de certaines pathologies euh, à transmission euh, orofécale comme les E. C'est un phénomène qui a été observé dans, la plupart des pays où il y a une forte pression euh, des populations déplacées sur le, dans les villages. Monsieur Amadou, euh, plus haut, vous avez euh, affirmé affirmé qu'à la date d'aujourd'hui, il y a 38 décès. Oui, la date d'aujourd'hui, oui. Nous sommes à, 1439 cas rapportés, enregistrés et nous sommes à 38 décès. Et dans l'intervention du président du conseil régional de DIFA, il a affirmé que la situation est totalement maîtrisée à la date d'aujourd'hui. Que doit-on retenir par cette affirmation Oui, en fait, euh, c'est juste la situation est maîtrisée. C'est-à-dire, au départ, la maladie, euh, en fait, les personnes victimes de cette maladie ne venaient pas consulter. il se faisait une idée autour de cette maladie que si tu es malade, si tu as les yeux jaunes, si tu es décoloré, tu as les urines jaunes, quand tu vas au centre de santé, on va te faire une injection et ça va compliquer ta maladie. Donc, à la suite de tout ce que nous connaissons sur notre plan euh, culturel, nous avons la communauté euh, humanitaire en collaboration avec les autorités régionales ont mis en place ce qu'on appelle le COGEPI, le comité de gestion des épidémies, et qui a été également mis au niveau des districts sanitaires, au niveau des CSI. Cela a mobilisé en tout cas toute la communauté pour aller dans le sens de la communauté, à amener les, populations à consulter. Ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de mobilisation, beaucoup de communication, beaucoup de plaidoyers et même la formation des relais communautaires qui nous avons renvoyés pour faire la recherche active des cas dans les populations. Ce qui a fait que, contrairement au départ de la maladie où les personnes ne venaient pas consulter, les relais ont été formés qui partaient pour sensibiliser la communauté de cette maladie et pour les amener à utiliser les services de santé à venir se faire consulter. Ce qui fait que aujourd'hui que quelqu'un a, des maux de tête ou bien en tout cas il a des douleurs abdominales, même si c'est lié à un truc banal, il vient, il consulte. Donc voilà euh, pourquoi nous disons que la maladie est est contrôlé aujourd'hui parce que, en tout cas, le moindre signe, les personnes viennent consulter les services de santé. Monsieur Yamou, selon vous, qu'est-ce qui explique euh, le fait que cette euh, maladie soit maîtrisée à la date d'aujourd'hui Ce qu'il faut retenir, comme euh, ce que le dossier Amadou, qui représente la DRSP ici, a dit, je vais un peu préciser certains de ses propos. Tout a été mis en place pour endiguer l'épidémie. Nous avons mis en place les médicaments. Nous avons mis en place un circuit d'identification des personnes malades. Nous avons amené les gens à comprendre les signes de la maladie et à accepter de se faire consulter. Nous avons sensibilisé les gens sur le mode de transmission. Tout ça a été fait. Donc tout ce qu'il faut faire pour endiguer l'épidémie a été fait. Maintenant, euh, la transmission de cette maladie-là, elle est plus liée à un comportement humain, celui de, la pratique des de bonnes pratiques d'hygiène. Et le comportement humain, ce ne sont pas des choses faciles à, à changer. Et on connaît nos cultures, on lave nos, nos, parties intimes avec notre main et on n'utilise pas le savon. Donc, euh, manger ou saluer quelqu'un, euh, voilà quoi. Ce sont ces genres de comportements-là qui sont là, qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain. Et ce sont ces comportements-là qui entretiennent. Euh, la contamination de l'hépatite E. Justement, est-ce que votre euh, euh, organisme Save the Children prend en charge euh, la question de cette maladie de l'hépatite E Nous nous appuyons la DRSP, les districts sanitaires, les, CSI, globalement, globalement le système de santé régional dans ses politiques. Nous répondons à toute demande qui nous a adressée par le district sanitaire ou, même bien par le CSI selon les, procédures déjà établies. Nous fournissons les médicaments, nous fournissons la logistique pour le transport des malades atteints de l'hépatite et les malades qui, sont à un stade où il faut les amener à l'hôpital. Nous participons à, la sensibilisation de la population à travers euh, les réseaux de relais. Nous avons fait la distribution des, kits, euh, kits de, transport et de conservation de l'eau. Nous avons fait la distribution de l'aquatap. Aquatap, c'est du chlore en comprimé pour désinfecter l'eau. Euh, nous allons également, euh, dans quelques jours, euh, je crois dans deux ou trois jours, commencer la formation de tous les agents de santé de la région sur le protocole de l'hépatite en collaboration avec la DRSP. Vraiment, euh, nous participons activement à, la lutte contre, contre cette maladie-là. Monsieur Mamadou de la DRSP, euh, vous avez parlé de, de plus de 1000 cas qui sont détectés. Est-ce que ces cas sont pris en charge ici dans les centres de santé à, DIFA euh, Il faut dire qu'il y a un mécanisme de prise en charge de tous les cas, en tout cas, qui ont été dépistés. D'abord, c'est à deux niveaux. C'est au niveau CSI, ensuite au niveau régional. Les centres de référence, donc centre mère-enfant ou le CHR. Donc tous les cas légers. Il y a d'abord ce qu'on appelle les cas légers, les cas non graves, qui sont euh, les cas légers, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, il dit il a des douleurs abdominales, et il, il n'a pas d'appétit, voilà, il n'est pas couché. Donc là, il peut être pris en charge au niveau du CSI. C'est un traitement symptomatique qu'on lui fait. Quel genre de traitement euh, D'abord, il faut dire que tous les produits tels que les paracétamol, je vais être clair, tels que, les produits, les comprimés qui luttent contre la douleur, ne sont, euh, entre autres produits, ne sont pas administrés, administrés chez les personnes victimes de cette maladie, parce que ça aggrave la maladie. Mieux, la décoction également ne doit pas être prise par une personne affectée ou infectée de cette maladie, et, parce que ça complique, comme tout à l'heure le collègue Yamou Aï a le dire, c'est une maladie qui affecte beaucoup le foie. Et si euh, quelqu'un part prendre la décoction, donc il va se compliquer davantage euh, la, maladie. Donc, les cas légers, c'est ceux qui présentent des maux de tête, ceux qui présentent des, douleurs abdominales, des, maux de ventre, pour être clair. Ceux-là là, peuvent être, ils ne sont pas couchés, ils se promènent, ils ont des petits malaises, donc ils sont pris en charge au niveau de CSI. Maintenant, tout cas qui amène la personne à ne pas pouvoir faire son travail et de la coucher, elle a le malaise. Là, les instructions ont été claires, ont été données qu'aucun CSI ne doit garder, en tout cas, une personne à un stade avancé de l'hépatite, de, de l'hospitaliser à son niveau. C'est directement le transfert au niveau du centre mère-enfant. Et là, pour ce faire, en tout cas, euh, je remercie tous les partenaires au passage. Ils se sont tous mobilisés on a prédisposé des ambulances, en tout cas dans tous les CSI, elles sont apprêtées dès qu'il y a un cas. Les partenaires nous appuient pour le référencement au niveau du, centre centre est Que ces centres-là, ils reçoivent euh, des patients venant des localités environnantes ou bien juste euh, des patients de la région et de la ville de Difa euh, Là, il faut très, dire bien les choses. Nous sommes dans la région de Difa, que aujourd'hui tout le monde connaît, que tout le monde sait aujourd'hui la population qui se trouve dans la région de Difa. Ce n'est pas seulement la région des populations du Niger, mais nous avons plusieurs autres nationalités. Et nous connaissons que cette maladie, en plus du district sanitaire de Difa, a énormément affecté le CSI de Kablewa, le camp de Kablewa. Donc, de Kablewa, en tout cas, il y a eu beaucoup de, plus de 100 référencements au niveau de la région. Donc, pour dire qu'au niveau du camp où nous avons euh, des réfugiés, en tout cas, il y a eu beaucoup qui ont euh, été victimes de cette maladie et qui ont été référés au centre de, du centre de la mère et de l'enfant de DIFA. Donc c'est vraiment euh, les deux procédures, gestion locale et gestion euh, référencement au niveau euh, du centre de santé, qui sont pris en charge. Alhamdulillah, en tout cas, les choses évoluent lentement, mais les personnes, en tout cas, qui ont été euh, en tout cas référées, récupèrent petit à petit. avant de poursuivre sur cette question euh, de la prise en charge des patients, Monsieur Yamou, je vous donne la parole pour savoir est-ce que l'hépatite U est une maladie à vie Non, ce n'est pas une maladie à vie. L'on peut bien, bien très bien même. Je vous ai dit tout à l'heure que la majorité des cas, ils ne développent pas, même pas les signes. La majorité des cas, ils font, euh, ils attrapent leur hépatite, ils, ils en guérissent sans, sans, sans qu'eux-mêmes le sachent. C'est une maladie virale euh, très facile à éviter à travers des, des règles de, base, de l'hygiène de base. Mais malheureusement, il n'y a pas de traitement ce que le, collègue de la DRSP euh, vient de dire, il n'y a pas en fait de traitement. Tout le traitement qu'on peut administrer, c'est un traitement symptomatique. Il n'y a pas un traitement qui est là qui va éliminer le virus du corps du corps de la personne qui est infectée. Il y a seulement un traitement symptomatique. On est là juste pour gérer les symptômes. Si c'est une diarrhée, on va arrêter la diarrhée. Si c'est une fièvre, on va faire en sorte que la fièvre s'arrête. OK Si c'est une hémorragie, on va tout faire pour arrêter l'hémorragie il n'y a pas de traitement. pour l'hépatite E. Monsieur Hamadou, on sait que dans toutes choses, il ne manque pas de difficultés. Euh, quelles sont les difficultés euh, que vous rencontrez ou bien que les centres rencontrent dans la prise en charge des patients D'abord, il faut une fois de plus remercier les partenaires qui appuient en tout cas les structures sanitaires de la région de Difa. Sinon, l'État a fait d'énormes efforts en termes de, des ressources humaines, en termes du, matériel, en termes de la logistique, l'État a fait d'énormes efforts. Mais il faudrait, il faut quand même dire que eh, l'appui des partenaires, en tout cas, a été un grand plus dans la gestion de ces cas. Parce que euh, aujourd'hui, au niveau du centre mère-enfant, pour qui connaît le centre mère-enfant, nous avons eh, un personnel pléthorique, mais les deux tiers sont en tout cas euh, affectés par les partenaires dans le cadre surtout de la prise en charge des, malades. Donc c'est pour dire que s'il n'y avait pas cet appui, vraiment la prise allait être un peu difficile. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que dans les premiers eh, jours de, l'épidémie, les populations euh, se faisaient une idée autour de la maladie de l'hépatite E. Pour eux, en tout cas pour ces populations ou pour les personnes affectées, du point de vue culturel, pour ces populations quand vous êtes victime de cette maladie et que si vous consultez, tout de suite, on va vous administrer une injection. Et là, ça va compliquer. Donc, s'il il n'y avait pas eu la mobilisation de la communauté, la formation de relais pour aller en direction de ces populations, pour les sensibiliser du bien fondé, de, de consulter, mhm. ça allait être une catastrophe. Mais alhamdulillah, vraiment la mobilisation de tous, l'apport des relais communautaires a permis quand même euh, de réduire beaucoup cette épidémie. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre ce forum. Suite aux investigations préliminaires sur le terrain, le gouvernement a réactivé le plan de contingence au niveau de la région de Difa. Alors, je donne la parole à M. Hamadou euh, de la Direction régionale de la santé publique de Difa. Dites-nous de quoi il s'agit exactement ce plan de contingence réactivé par le gouvernement. Ok, euh, le, plan, de contingence euh, n'est rien d'autre que le mécanisme qui a été mis en place pour lutter contre cette maladie, pour combattre cette maladie. Et ce plan existait bien avant, parce que dans le cadre de la, de la surveillance active, il y a ce qu'on appelle les équipes de surveillance au niveau de tous les districts. Donc, ce plan existait, mais comme il n'y a jamais eu d'épidémie de ce genre, donc le plan, le, plan était là en veille. Mais dès qu'il y a eu cette épidémie, donc euh, il y a eu l'alerte, et euh, monsieur le gouverneur de la région de Difa, euh, qui est le président du comité, a directement convoqué, euh, sous le conseil technique donc, de la direction régionale, a convoqué en tout cas une grande réunion qui a regroupé tous les partenaires techniques et financiers de la région, les ONG, les associations, les leaders religieux, la société civile, donc pour mettre, pour réactiver ces, ces comités de gestion des épidémies. Donc il faut dire que dans ces comités, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et ce comité avait euh, défini trois grands axes. Le premier, c'était l'axe médical, donc le domaine médical. Le deuxième, c'est le wash. Là, il faut entendre partout ce qui concerne l'eau, les latrines, etc. Et le troisième, c'est par rapport à la communication. Mm. Comment il faut euh, mener des communications, une grande communication, une grande mobilisation pour sensibiliser la communauté par rapport à cette épidémie et pour pouvoir l'endiguer. Monsieur Yamou, euh, selon vous, quel est euh, l'apport de ce plan de contingence qui a été euh, réactivé dans l'éradication de l'épidémie Bon, moi je, ne ferai que compléter la voie, la voie officielle, celle de la DRSP. Le plan de contingence existe un cadre de coordination et de définition des, des priorités pour lutter contre l'hépatite E euh, ça nous a permis euh, de savoir euh, les besoins, de connaître les besoins, d'identifier les potentialités existantes dans la région pour répondre aux besoins et de, de voir qu'est-ce qui nous manque. Et dans, le, sur les trois axes qu'il a dit, l'axe médical, l'axe au hygiène et assainissement et l'axe de la communication. <coughs> Je vais préciser que le plan de contingence à lui-même c'est juste, comme je l'ai dit, c'est juste le cadre de coordination. Mais il y a un plan d'action qui découle du, plan de contingence. C'est ce plan d'action-là qui définit les différentes activités à mettre en place pour lutter contre l'épidémie. Et ce plan d'action-là, il est élaboré euh, par entité euh, sanitaire, par district sanitaire. Chaque district sanitaire a élaboré son, plan, d'action, son plan d'action de réponse à l'épidémie voilà, où il a défini, euh, par exemple, son besoin en médicaments, son besoin en logistique, son besoin en formation du personnel, son besoin en, en matière de, euh, euh, de hygiène et son besoin en matière de, médicaments. tout ça a été fait et, chaque, chacun des districts sanitaires a des partenaires qui l'appuient qui dans son, ses, besoins, ses besoins complémentaires qui ne sont pas pris en charge par l'État. Euh, Hamadou, euh, ce plan de contingence, il a donné ses fruits euh, Je dirais que ce plan de contingence a donné ses fruits parce que aujourd'hui, c'est vrai, le mal n'est pas totalement endigué, mais aujourd'hui, il y a moins de peur qu'au départ. Parce que au départ, comme je l'ai dit et comme nous l'avions dit, c'était les interventions étaient disparates. mais aujourd'hui, vraiment, il y a la coordination qui est là. Euh, tout le monde a la même vision et tout le monde contribue à la prise en charge rapide des cas. Dès qu'il y a un cas, on n'a pas besoin d'attendre dire qui fait quoi. Aujourd'hui, tout le monde s'est positionné et tout le monde sait qu'il y a une répartition des rôles et des responsabilités par rapport euh, aux, trois domaines que je viens d'annoncer tout à l'heure. Donc, vraiment, euh, les choses sont beaucoup plus canalisées qu'au départ. Et actuellement, est-ce qu'il y a des actions précises que l'État mène pour euh, éradiquer totalement cette maladie de la région de Difa Les actions que l'État est en train de mener, c'est que c'est la surveillance active. La surveillance active, ça veut dire que le suivi sur le terrain est actif. Tous les jours que Dieu fait, tous les cas sont notifiés indépendamment de ce que j'appelais tout à l'heure les MDO, les maladies à déclaration obligatoire hebdomadaire, qui sont transmises au niveau CSI district. Donc, indépendamment de ça, chaque cas notifié est directement transmis au niveau du district qui immédiatement l'achemine au niveau de la direction régionale. Donc, dès qu'il y a un cas, tout le matériel est en place, on fait le prélèvement sanguin et on transmet à qui de droit pour que ça soit acheminé pour que ça soit directement transmis au niveau central où les premiers examens commencent avant de l'envoyer à l'extérieur pour la confirmation donc, euh, de, la maladie. Monsieur Yamou, cette euh, maladie d'hépatite, est-ce qu'on peut la prévenir Oui, c'est juste euh, suivre les règles d'hygiène de base consommer au euh, traitée. Euh, se laver les mains au, moment au moment critique, ce que nous appelons le moment critique, c'est le moment, c'est avant de manger, systématiquement il faut se laver les mains. Au sortir des selles, il faut se laver les mains. au faut sortir des toilettes, il faut se laver, les mains. Après avoir euh, euh, fait la toilette à l'enfant, il faut systématiquement se laver les mains. Laver aussi les aliments crus, notamment les fruits, les légumes. Euh, faire cuire euh, beaucoup euh, la viande parce qu'il peut, il peut y avoir un lien entre l'hépatite E chez l'animal et l'hépatite E chez l'homme. Le lien n'est pas établi, mais c'est possible. C'est possible. Il y a cette possibilité-là. Actuellement, qu'est-ce que Save de Children fait pour éradiquer cette maladie nous nous inscrivons euh, dans ce que euh, le collègue, euh, le collaborateur a dit tout à l'heure Nous inscrivons dans le, plan d'action de la gestion des épidémies dans chaque district sanitaire. Nous intervenons sur 39 centres de santé dans la région de Difa, sur les districts de Bosso, Difa, Goudoumaria et Menosoroa, les quatre districts. Sur l'ensemble des quatre districts, nous couvrons 38 centres de santé intégrés. Euh, nous appuyons le centre mère-enfant, où sont pris en charge les cas de l'hépatite E, et l'hôpital régional. Ce que nous faisons, essentiellement, c'est le ravitaillement, le en médicaments, c'est euh, la formation du personnel, c'est le protocole de prise en charge de l'hépatite, E, la formation que, nous envisageons d'organiser dans, dans, la semaine avec la DRSP. Euh, le référencement des cas, c'est-à-dire nous assurons le transport de toute personne euh, référée au centre mère-enfant sur demande du centre de santé. Dès qu'un centre de santé nous notifie qu'il y a une personne qui veut l'évacuer et qu'ils n'ont pas la capacité, nous on peut l'amener. Et une fois libérée, une fois traitée, on la ramène aussi euh, chez elle. Monsieur Amadou, nous sommes presque à la fin de ce forum. Qu'est-ce que vous avez à rajouter euh, Ce que j'ai à, rajouter, c'est qu'il euh, il faut que euh, nous nous disions que le mal n'est pas allé loin, il est toujours à côté. C'est que c'est de garder toujours, c'est de renforcer le mécanisme qui a été mis en place pour en tout cas continuer la surveillance active dont je disais tout à l'heure. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut que les partenaires maintiennent et tous ces, toutes les interventions dans le cadre de la coordination. Et troisième chose, il faut que les partenaires, euh, en collaboration avec la direction régionale, euh, renforcent le partage des données. Le partage des données, parce que la gestion des données, euh, la gestion des données sur le terrain, souvent vous allez vous retrouver avec des données qui chevauchent au cours de réunions. Donc, il faudrait que dans le cadre de la gestion de cette maladie et même des autres activités, il faudrait que quand même que nous ayons à tous les niveaux des données harmonisées. À tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux. Ensuite, il faudrait que euh, la, population également contribue la population doit également contribuer à la lutte contre cette maladie tout en respectant ce que nous avions dit tout à l'heure, la les, règles, les règles d'hygiène, les bonnes mm-hmm. manières, de faire. Parce qu'aujourd'hui, si, et pour qui connaît en tout cas le centre mère-enfant, l'hôpital et même les autres structures, vous allez aujourd'hui, il, a été mis en place des dispositifs de lavage de mains. Mais, comme il l'a dit tout à l'heure, le changement de comportement vaut ce qu'il vaut. Quand vous partez aujourd'hui au centre mère-enfant, les, les, forces de l'ordre qui sont là à la porte disent eh, écoute, monsieur, lave tes mains avant de. C'est un, problème. Tout simplement, lave tes mains pour entrer devient un problème. qui mm-hmm. sort on te dit de laver tes mains par part, c'est un problème. Donc, il faudrait également que la population contribue à, l'usage des bonnes pratiques parce que la maladie, elle n'a pas de choix. Elle n'a ni, euh, en tout cas, autorité, elle n'a ni euh, population. Quand elle vient, elle peut frapper tout le monde. Donc il faudrait que tout le monde s'inscrive dans la même logique pour pouvoir endiguer cette maladie. Monsieur Yamou, euh, comme vous venez de l'entendre, la difficulté, c'est surtout le les, habitudes de la population. Alors, vous renforcerez davantage les sensibilisations et autres oui, euh, e Exactement. Euh, nous avons un, réseau de 1750 relais. 1750 relais communautaires, le, relais communautaire, c'est-à-dire c'est des gens volontaires que la communauté a choisi pour nous servir des liens entre nous et cette communauté-là. C'est-à-dire ils vont nous servir de support de, messages. Ok Ces 1750 relais-là vont être formés tous sur les messages essentiels de lutte contre l'hépatite E. Bientôt, dès qu'on aura euh, fini la formation des, agents de santé, on va continuer sur leur formation. Et euh, nous, avons, nous, avons briefé déjà certains, la plupart en tout cas, la majorité, sur les, signes qui leur permettent d'identifier une personne susceptible d'être malade et de conseiller cette personne à départir au niveau du, au niveau centre de santé. Ce qu'on appelle, ce qu'on appelle la surveillance communautaire. En tout cas, eh, ça va. Euh, on, fait des actions de, promotion de WASH, l'utilisation des latrines, euh, la distribution de l'aquatable, la distribution des bidons d'eau euh, pour le transport de la conservation. On espère que ça va aller. Mais par expérience, quand vous vous référez à, l'histoire épidémiologique de l'hépatite e dans la région, là où il y a eu des épidémies, n'est pas une épidémie qu'on peut gagner en, deux ou trois ans. Il faut, il faut aller sur dix ans. Il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps parce que c'est lié au comportement, parce que c'est lié au mode de vie, parce que c'est lié aux, conditions économiques de la population. Une personne qui n'a pas la, la, possibilité de s'offrir un savon pour laver ses mains, il n'a pas le choix. Il va être contaminé. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas la possibilité que de rester dans une case à côté de quelqu'un où il y a sa toilette à un mètre, il n'a pas le choix. Donc tant que euh, nous vivons dans ce contexte de, fragilité économique de la population, qui induit une détresse sanitaire, nécessairement, euh, il y aura, on a, fort, peur que ça, va, ça va durer. Monsieur Hamadou, un mot de fin le mot de la fin, c'est d'abord de remercier la radio Kalangu qui a bien voulu nous tendre son micro pour se prononcer par rapport à cette épidémie que nous aurons il y a quelque temps. Deuxième chose, c'est de remercier très sincèrement euh, les radios euh, communautaires de la région de Difa qui ont bien contribué dans, le cadre, qui ont bien contribué dans le de la lutte de cette maladie. Ensuite, les autorités et tous les partenaires qui ont vraiment appuyé la santé à lutter, à combattre cette maladie dans laquelle, où aujourd'hui, en tout cas, alhamdoulilah, nous pouvons dire qu'il eh, y a moins de peur qu'au départ. Voilà, donc vraiment ce que je voudrais dire. Eh, mais je profite quand même euh, de dire que le renforcement de la coordination puisse continuer. Parce que s'il n'y a pas de coordination, si tout le monde galope seul, on ne peut pas vaincre l'ennemi qui est l'hépatite. Monsieur Yamou, votre mot de fin Bon, euh, nous, euh, moi, mon, mot de fin au nom de, de Save the Children, c'est que nous sommes disponibles et disposés à accompagner l'État dans, l'effort d'éradication de, de l'hépatite e. euh, nous l'avons manifesté à plusieurs reprises, autant à la DRSP, au district sanitaire qu'au gouverneur. voilà quoi, nous sommes là avec eux et nous allons continuer, Inch'Allah, de les appuyer. Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, nous sommes au thème de ce forum du Studio Kalangu qui portait sur l'hépatite E. Comme vous l'avez constaté, l'hépatite E, pour en finir avec, il faut un changement de comportement, suivre des bonnes manières, alors, euh, nos remerciements vont à l'endroit de nos deux invités. Il s'agit de M. Yamou Abdusalam. Il est le chargé de programme santé et nutrition à Save de Children d'IFA. M. Yamou, merci à vous d'avoir fait les deux déplacements. Merci également à M. Hamma Hamadou. Il est le chef euh, du personnel de la direction régionale de la santé publique à d'IFA. Merci également d'être venu. Merci. Nos remerciements vont également à la radio Amfani, euh, dont le studio nous a servi de cadre pour la réalisation de ce forum. La réalisation a été assurée par Mokhtar Hamadou, la technique euh, Seini Isaka. À la présentation, c'était le fils Adam Sirfo. À demain, à la même heure. Merci.